de da sur surtout à la fada sur Matassa Studio studio Kalangu take sarrafa muku tous les samedis et dimanches au micro Rabia Mekano. La fada d'aujourd'hui elle est rose ou plutôt rouge. Kubi de Kafa, Le 14 février, ça vous dit quoi Fête de Saint-Valentin. Fête des amoureux. Voilà. Ah ben voilà. voilà. Les romantiques savent qu'on va parler de cadeaux de chocolat, de fleurs, de mots d'amour, de cartes d'amour, de cartes de vœux. <laughs> J'ai lu sur Wikipédia que d'abord, la Saint-Valentin, bah, celle la Christa Bachi. Comme je suis comme on a Valentin, ce n'est pas vraiment un saint, mais un prêtre martyr dont la mort est fêtée le 14 février. À Inglakuma, cette fête est même associée à une histoire d'oiseau pour vous dire euh, touchant un seul euh, bon samari a les cadeaux c'est si important cette fête est-elle vraiment rouge pour tout le monde ou elle peut virer euh, elle peut devenir plus sombre <laughs> noir carrément oh là là ça va chauffer là un <laughs> Nous sommes avec Madame Haddad Fatississé. Elle nous a bien accueillis dans ce cadre euh, chaleureux, je vous dis, le, décor, tout y est. Nous sommes également avec euh, Ali Monkeila Seno, il est artiste, danseur. Ali, ça va Ça va. Tu vas bien Kim Golden, c'est la gauche choco de la fada d'aujourd'hui. <laughs> Oh, Kim Kinalahia. Alhamdulillah. Ça va Kim, tu as une agence de mannequinat, tu oh, bosses oui. dans l'événementiel. Oui, Sois la bienvenue tout à la fada. Merci beaucoup. Sur cette nous sommes également avec un autre artiste, Ali Pongé, euh, artiste euh, chanteur, c'est ça eh Oui, artiste, ça va chanteur, compositeur, oui. Yakaki La wannan fadar tamu ta Que serait la fête sans ses épouse musicale aujourd'hui, euh, Rose Et sa chronique qui va parler aujourd'hui de quoi Olivier, tu es là Aujourd'hui, on va parler des élections et on va parler particulièrement de ce que c'est un contentieux électoral. Wow. C'est pas pour gâcher l'ambiance, c'est pour informer. C'est important, mais tu as le nom de plomber l'ambiance. Hein. <laughs> Ah, wannan fadar zan hara da wata tambaya tambaya wani mai shuraren mu yanzu mu shurare shi mu ji yana nan ga tambaya c'est quoi la Saint Valentin shi da wannan Saint Valentin ke yana so ya san menene mu shurare shi mu ji moi, j'ai compris qu'il y a les Saint-Valentin, c'est lorsque je suis venu à Niamey. Mais les Saint-Valentin, en réalité, comme on l'a dit, c'est la fête des amoureux. Je, voudrais prendre le micro pour demander, en réalité, qu'est-ce qu'on entend par Saint-Valentin Tanti, je commence par vous. Conjoint euh, Matachi, lui, il veut comprendre c'est quoi vraiment la Saint-Valentin Particulièrement pour moi, c'est une fête, ce n'est pas seulement pour les amoureux, c'est pour essayer de, voir tout en rose, comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, de voir euh, tout en rouge, kenan kamar an kuka ce sallah ce wadda ya kamata a ce in kana da soyayya cikin zuciyarka ka gaya ma al'uwarka ka gaya ma uwarka kana son ta ka gaya ma kolegakin ka furkwa akwai ranan da zaka nema ka hoda ba za ka samu wannan sa'a ba shikenan ka rike shi kenan ranan sallan Saint Valentin sai in faɗi miki ina son ki don wata rana ban san ran da zan gane ki ba in faɗi miki. Ara gaya maka wai. En tout cas c'est le moment qu'il faut choper c'est non. Oui. T'as entendu euh, Madame Haddad maintenant. Saint Valentin c'est vraiment je suis jeune. Euh, et depuis que j'ai commencé les relations amoureuses, à chaque fois quand il y a la fête de Saint-Valentin qui arrive, entre nous, le jeune, c'est toujours aller chercher des chocolats, offrir des petits cadeaux à nos copines. Tu as déjà dit à maman, je t'aime, ta soeur, je t'aime, à la Saint-Valentin, il faut qu'on soit honnête. <laughs> Je voulais, je, je voulais, plutôt la copine. <laughs> Hein c'est là où je voulais en ah, ah, venir. donc, je disais, à chaque fois, euh, on essaye de faire des petits cadeaux à nos copines. Euh, je ne l'ai jamais fait. On mais, je pense que pas. Je, ah Voilà, je viens, <laughs> je viens juste de, l'apprendre. je vais essayer aussi de me mettre dedans. Je vais essayer aussi de, souhaiter, de dire à la maman, voilà, je t'aime mes petits frères. Et je t'assure que, fiston, en le disant à ta mère, qu'on le dit très rarement dans notre société, de dire à sa mère je t'aime, si tu le fais, tu, vas ressentir une joie immense sur le visage de ta mère déjà. Et tu lui fais plaisir tu, en même Seras, tu auras une bénédiction qui sera là. Et toi-même, tu verras quel bonheur ça va te faire vivre. De dire je t'aime à ta mère ou à ta soeur, à, ta soeur, à ton père. C'est, c'est, et les cadeaux ne sont pas obligatoires pour la Saint-Valentin. Oui, justement, euh, sur les cadeaux. c'est un geste qui est là pour symboliser l'amour qu'on ressent pour l'autre. Justement, exactement. sur les cadeaux, on a toute une conscience sur les cadeaux. Concrètement, au fait, mhm. euh, dire euh, je t'aime, voilà, dire mhm. je t'aime. Nous, on a l'habitude de le dire. Mais, choisir, voilà, choisir euh, une journée spéciale pour le faire avec des cadeaux. Pour l'exprimer du matin au soir, <laughs> ma belle. Alors, pour toi, la Saint-Valentin, c'est quoi Bon, moi, pour moi, Saint-Valentin, ça symbolise l'amour, comme la tante vient de le dire. Et surtout, bon, j'ai vécu pas mal de situations bizarres et situations cool. Ah. Mais le <laughs> On va revenir là-dessus maintenant. Ça symbolise quoi pour toi, ma belle euh, ça symbolise l'amour. Mais d'habitude ici c'est matar marine quoi bah, bah euh, Ouais. On dit pas à maman, maman, je t'aime. Non, non, non, non, non, c'est bon. C'est vrai, mais chacun, je, je, je, me dis que, bon, bon pour moi, hmm. chez moi, en fait la Saint-Valentin avec mes parents. Oui, avec... non mais après, après les ah, parents viennent mon chéri. Ok, ah, voilà. ça là, on va y va y va y comme eh, <laughs> Et tout ça. <laughs> Ali, attends, oui. Ali, gamin que Saint Valentin. Ça te dit quoi? Saint Valentin. Euh, que je compte oh Ok, mm. c'est-à-dire il faut immortaliser le moment. À chaque fois quand il s'amène, tu vois. Et c'est un moment de joie, d'amour, de tout. Ouais, justement, j'ai lu quelque part sur Wikipédia qu'en Algérie, cette fête, euh, mais, mais comme pas possible, quoi. Et puis, genre, même dans les écoles, les élèves, les garçons, ils donnent des fleurs des fleurs, ils offrent des chocolats à leur maîtresse. en Algérie. Nanga, Mujib, Matassa, qu'est-ce qu'ils pensent de cette fête Comment ils la vivent Comment ils fêtent Saint-Valentin On va encore les écouter Maintenant, comme je suis plus en couple, donc n'ai pas préparé grand chose. Donc pour moi, le 14, ils ont oublié quoi. Mais c'est pour que la situation change avant le 14 que je, puisse avoir une autre copine. Là, vraiment, je vais lui faire un cadeau, le premier cadeau quoi, de notre relation. Bon, la Saint-Valentin, c'est pour moi, on ne va pas fêter ça. Pour faire des cadeaux, c'est pas obligatoirement le jour de la Saint-Valentin. On peut faire les cadeaux n'importe quel jour, pas obligatoirement le 14. C'est ça ma conception. Alors, la Saint-Valentin, je ne fête pas ça et. Non, moi, je ne peux rien de grand. Mais bon, c'est beau et tout, mais moi je peux pas rien en tout cas. Ça, je pense que je devais faire ça, mais pas. Parce que si c'est pour offrir les cadeaux, même les moments comme ça, il peut ouvrir. Pas seulement. Je n'ai jamais fêté cette fête avec euh, l'année-là, je vais savoir comment je vais profiter le fait. Bon, Saint-Valentin, j'entends tout simplement parler de Saint-Valentin depuis des années passées, puisque moi je n'ai jamais fêté vraiment de cette fête. C'est pour les amoureux. Et nous, nous sommes vraiment exclus de ces genre des amoureux-là qui pensent, en tout cas, fêter la fête. Moi, je n'ai jamais vraiment compris de ces termes-là. Qu'est-ce qu'on veut dire et qu'est-ce qu'on fait Où on les fête d'ailleurs Il n'a pas du tout compris comment, quelle réaction face à cette réaction des jeunes sur euh, cette fête, il y en a qui disent qu'on n'attend pas que la Saint-Valentin, dans cadeau, bah, c'est une Saint-Valentin Tazobat. Madame Haddad. Alors, ce que je pense de, ces réactions de ces différentes personnes, c'est vrai qu'on n'attend pas que la Saint-Valentin pour faire un cadeau, parce qu'on vit Saint-Valentin tous les jours. Mais on ne le fait pas ressortir tout simplement. Et ce jour, il est juste là pour faire ressortir, en fait, cette Saint-Valentin qu'on vit tous les jours. Parce que je pense qu'on aime tous les jours son ami, sa maman, son prochain, son mari. Sa femme, Donc, C'est juste pour faire ressortir cet amour-là, en fait, qu'on parle de 14 février. Donc, ce n'est pas... Euh, forcément qu'il faut offrir un cadeau ce jour-là. C'est comme je disais tout à l'heure. C'est juste pour symboliser cette journée, cette soirée, qu'on cherche un cadeau à offrir. C'est pour cela, si vous voyez les cadeaux de Saint-Valentin, ils n'ont pas forcément à être des cadeaux de grande valeur. Ça peut être juste un petit chocolat. C'est juste pour rendre ce, jour agréable. Oui, tant voilà. Euh, il faut que parce que d'habitude on a une émission qui Mais la qui est avec nous aujourd'hui, on peut dire que c'est la spécialiste des fêtes de Saint-Valentin. <laughs> Donc on on peut pas parler de Saint-Valentin. Oui, c'est la tata love. Sinon, je reviens vers toi. OK. Mon abunga mon saurara wasu kamarad wanda sun ka yi magana saman kan wannan sallah na san valentin don euh, akwai wanda suke cewa e, sun kaman kullum ne suna, suna so suna so suna eh, suna ba da kado eh, kuma vala ana iya ba da kado ko yaushe mm. amma wanga kama dat ne wanda an ka hida an ce wanga specialement ya kamata mutum ya gwada ma kai kana cikin wanda suke soyayya kullum da kullum gens qui considèrent que tout le Saint Valentin Valentine hein. quand cikin su a'a ko ko da ci bai yiwa que tu ka ce kullum Saint Valentin parce que Saint Valentin ita journée ne special wanda an ka donc comment comment kama ran sallah yanzu comment chaque jour qui ta yi cikin masallaci mu mais à quoi akwai sallah special eh, c'est nous, À tu n'es t'es pas trop romantique des façons je te vois là <laughs> ma belle je reviens je reviens à toi quoi tu fais partie de ceux-là qui pensent que coule-moi Saint Valentin n'est pas c'est Saint Valentin kadeba euh, je fais grave partie de ces gens là ah ouais elle est hyper romantique ma belle <laughs> moi j'attends pas que Saint Valentin pour faire un cadeau moi je trouve que Saint Valentin c'est tous les jours parce que tu c'est pas seulement le jour du 14 ah février que tu dois aimer quelqu'un hmm. tu aimes tu aimes quelqu'un comme la tante l'a dit Lundi, tu l'aimes. Le premier, tu l'aimes. C'est janvier, tu l'aimes. <laughs> voilà. Donc, euh, tu n'attends pas seulement le 14 pour l'aimer. Pour Tu aimes ton papa, tu aimes ta maman, tu aimes ta soeur, tu aimes tes amis, tu, es surtout amoureuse d'un homme, quoi. Oui, mais ma <laughs> belle, t'es trop dans love, love, love, love. T'es sûre que c'est plutôt comme ça ou c'est parce que la tante est là et que... <laughs> non, c'est pas parce que la tante est là. Mais il y a des fois où t'as envie d'arracher les cheveux quand même, ça t'arrive, non Ou t'es tout le temps dans le love, quoi, ça n'existe pas, ça. eh ben, aidez-moi, là. Il y a des temps, tu as envie, tu as juste envie de lui casser la tête. de, voilà. de, de, là, on est briser dans la réalité, côtes, là, <laughs> parce tout que ça. là, tout à l'heure. <laughs> Ali, inda gari ka. Eh to lalle bisa abin da suka ce tunda wannan rana rana ce lalle ta soyayya. Amma in an ce soyayya ba a ce ba dole kamar sai tsakanin budurwa da samari. soyayya akwai ta tsakanin uwaye tsakanin yanni da kanni da abokai da kowa da kowa amma dai an ce san valentine dai kan mu boye ma juna eh wannan gaskiya ne wannan rana yarinya ta ce Eh, Basgano. C'est ton mec. Ah, et puis, euh, la sœur, euh, on l'a fui même quoi. Ah, Elle vient, je vais t'envoyer. non, non, j'ai pas le temps, il faut que je sorte. <laughs> Franchement, on s'arrête pas une minute pour dire à la sœur, je t'aime quoi. Non, c'est vrai. Vraiment, <laughs> c'est un jour spécial qui fait pour les amoureux, tu vois un peu. Saboda shi wannan na ma ah! shirya waƙa da Oh, oh, oh là là, elle eh, a trop de chance. Elle s'appelle Florence. Je sais que je m'appelle pas Florence, elle s'appelle pas Florence, mais on veut entendre quand même euh, un bout de, de la chanson. De Fatih. Uh -huh. oh, Kai Florence. Oui, Fatih Florence, c'est ça. To, tahi mu je Quand mu ma muna so son je. Mhm. <laughs> Ah ben vas-y Ali. Yarinya sunanta Fatih, ah. kyakkyawa kaman ka duba, da ka ganta ka on applaudit pour ka tambaya ba ni da ke kuma san juna bari kuma wani ya ni da ke kuma Fatih. <laughs> La Fatih qui est là avec nous, ça l'a touché aussi. Ah. <laughs> oui, Tati. Je te remercie. Donc là, à travers cette chanson, mhm. tu, c'est toutes les Fatih que tu vas aimer là. Eh <laughs> mais mais j'espère que ta sani kuma tana gagné son da kake Ah, ta scène

Um, manigo. Ligay Oh la la. Manigo. Manigo. Manigo. iPhone di baka manigo. sineti baktım neyi Uga neyi neyzo mahanga neyse Uye iyi koy beri Gönlüm bakasın neyi Pour la fada après Manigo de Idisaki. To a wannan fada de yau muna tare da samari da 'yan mata muna nan hiran san Valentine wannan ranar da aka keɓe ma masoya. Eh, goma sha hudu na kowane watan Fabrairu ake wannan rana ya ka gani ka hidda budurwarka sarmayinki ki ki sai mishi wani turare wani an kama shi turaren shi shi kuma ya rubuta waka ya kare <laughs> donc à cette fada nous sommes avec Ali Monkele Seno il est artiste danseur nous sommes avec euh, madame euh, Haddad hyper romantique Kim Golden, nous sommes avec Ali le hyper romantique qui a déjà sa chanson <laughs> <laughs> Je suis déjà une chose très importante cikin dans un sur le cadeau les fleurs, le chocolat. Ici, c'est quoi, c'est quoi le truc, Tanti Bon, Tanti, elle est trop romantique, mais oh, je, viens vers toi d'abord. C'est quoi le, les cadeaux qui marchent ici Tu sais, en Afrique, là, il y a, y a Qu'est-ce qui marche ici comme cadeau C'est quoi le truc qu'on offre, que les filles aiment euh, recevoir Ou les mecs aussi aiment recevoir <laughs> c'est aussi les fleurs, le chocolat, comme en Algérie ou c'est autre chose On est à un autre niveau. Si on a les fleurs là, tu aimes J'aime. Non, non. Oui, on est avec Hayman, il est là aussi. Hayman, tu vois, elle veut pas dire le truc. Elle veut pas sortir clairement dire que il faut ça, il faut ça. Dis-nous, Hayman, c'est quoi le truc qui marche ici C'est les fleurs aussi et le chocolat Ok, euh, ici c'est Hayman. Mhm, eh, artiste rappeur nigerian donc euh, wannan magana kado na da aka ba 'yan mata me 'yan mata suka yi so ni na san wanda 'yan mata suka yi so eh. ni na san da 'yan mata na niger baka ba su dan dan <laughs> flair ya fulawa ka ba su wallahi suna yarda ah, ni ina tuni wannan ba ban yarda da kai ba ban yarda da kai sai ai long da ba sa sai iphone ah, sai wani kile kile na mota wani wani flaring in kaka wallahi suna mutuwa wannan kariya ina tuna ina tuna wata shekara na taba ina zuwa ina zuwa ina zuwa wata shekara na taba ganin wani wani Nigerian da ya kawo ma budurwar shi kado na Saint Valentine kin san me ya kawo mata Musa da ya kawo mata yan musa cikin cikin karto ya kawo mata ta zo gida ta bude to ke kin ga minyon ko alors que shi rayuwa ce ya bata <laughs> ki gane ko mutane insha Allah cikin karce mu kasa kaɗai take ci musa ce kuma musa ce da aka fito da ita ture ba ta ba aika kama abin kaɗan gare ba musa nan ƙasa take ci sai da ta mutu haka nan don pour te dire que mata na nan Niger wallahi wani flare wani men in ba iPhone 11 iPhone in ma sai 11 in ka kawo ta set asal yanzu yan matan Niger za ka gani su shiga cikin motarka suna dibi direct amma sun san kana da essence ko baka da essence sun san kai wane ne kamar suna calculate ne su yi soyayya da kai sai balanta wannan in baka kawo wannan ba soyayya bane moi je n'appelle pas ça ban kiran wannan ba soyayya bane ba ta son ka kenan à ce point non je suis pas d'accord avec lui mhm. là plutôt l'amour n'est pas n'est pas euh, sincère il est plutôt matériel ba ba soyayya bane wannan ba a kiran su cikin ranar soyayya ba a kiran su dan la journée de Saint Valentin parce que Saint Valentin ma'anan shi wanda kake so da gaske in bakin ruwa ma ya baka kamar ya baka aljanna shine ma'anan shi shine ma'anan soyayya amma wanda za ta ce sai ka bata abu mai ma'ana mai kuɗi ita komi bai da ma'ana wurinka wurinta kenan babu so. Tanti za a Non, voilà, c'est un autre e degré. Non, mais c'est un autre degré, franchement, là, quoi. Saboda kun san une nake cewa kana tanti? Yau akwai 'yan mata cikin Niger nan ga da in ba suna komi suna sai sun sa maka pression suna ce maka rassan Valentin su ma il faut ka a musu wani abu saboda mi saboda kansu su gani. Saboda magana ga taku masoyinka duk abin da ka bashi ya kamata a ce ya da shi ya rike. chérie, tu, m'autorises à lui répondre. Oui, Là, euh, c'est comme je disais tout à l'heure, l'amour n'est pas sincère. Mais il y a une chose aussi qu'il faut savoir, ce n'est pas que les filles qui ont ce problème, c'est que peut-être que intaimu ko haka, kenan ba ita kadai bane gare ka. kenan eh, abin da so ta gani ita ce titulaire tu ba tu bace ko Kim Gold. ça ne satisfait? Justement yanzu muna tare da wata budurwa Kim Gold est ce qu'on a iya oh haiman merci est ce échoué? a cadeau tsadan quoi, valeur cadeau c'est ça qui qui dit la valeur aussi de ses sentiments ou la, le degré de ses sentiments. Non, ça ne peut pas se faire parce qu'on peut pas. les sentiments, on ne peut pas acheter. On peut pas. Non seulement on ne peut pas acheter, c'est pas la valeur du cadeau, du Qui, qui, montre la valeur de l'amour que tu as pour moi. Mhm. Quand tu m'aimes, ça, ça sent, ça se montre, euh, c'est naturel. C'est naturel, c'est pas euh, parce que tu m'as acheté une voiture qui veut dire que tu m'aimes comme l'argent que tu as investi. Tu peux m'aimer tout petit, mais tu peux m'acheter une voiture. Tu vois, non C'est mhm. des trucs qui, se fait, qui se passent et tout ça. Mais au fait, parce que ah. vous savez, <laughs> moi je sais, je sais, euh, voilà, <laughs> ce qui marche plus ici, c'est pas le fleurs. Oui, ce Honnêtement, c'est pas les fleurs. Parce que même entre les filles, euh, elles ont créé une certaine, je, dirais, rivalité. Chacun veut montrer que ce que son copain lui a montré a plus de valeur. Genre, aujourd'hui, par exemple, nous, le jeune, hein, mm-hmm. la plupart d'entre nous, c'est les, les chocolats qui marchent tu vas même entendre la fille va ah te dire hey, j'attends mon chocolat hein, ah le jour de Saint-Valentin. C'est clair même. Ce qui veut dire que mm-hmm. même si la personne t'aime. Moi, je veux pas Même si moi, je veux. Moi, je veux. moi, je veux. la majorité, au fait. Quand, tu veux. moi, tu vas pas m'offrir euh, chocolat à Saint-Valentin. Sérieux. T'aimes pas en fait, pas. La majorité. moi, ah, j'adore. La majorité, la majorité des filles, elles attendent toujours qu'on les amène des chocolats. C'est ça. Même, ah même bien avant Saint-Valentin, elles vont te dire hey, eh, le jour de Saint-Valentin, j'attends mon, chocolat. Et le chocolat, c'est ce qu'on demande euh, un peu partout. Voilà. personnellement, petite parenthèse, moi, euh, j'ai déjà reçu un bouquet de <laughs> roses et je l'ai posté sur. Euh, Facebook, hein. j'étais contente. <laughs> Mais après, il y avait mes cousines qui, se sont moquées de moi. Ah, voilà. Ouais, on dit c'est les fleurs, moi je dis oui. C'est ça, je vais manger. <laughs> Ben, allez, je reviens vers toi. Wanga, comment as-tu caro karo kinka yana da kasi abu mai tsada ça veut dire que tu tiens à moi le truc là qui circule un peu quoi genre tu fais plus d'efforts parce que tu, tu m'aimes plus t'es d'accord avec ça ou... ouais je suis je suis quand même un peu du même avis mais ita soyayya ah, bata tambaye ba gaskiya hali so ne kawai abun kama so ne ya kamata tsakaninku me ba ko tsada ba ko kuɗi ko wani abu lalle kin san mu nan matan mu nan suna da wani abu kama ana aiki da yayi mm, gane ko abin da ake yayi da shi yanzu wani lokaci sai kiga iphone ne ake ba 'yan mata kin gane 'yan mata cikin gari wagga ta ita ma sai an bata wata kuma shokola ne wata kilan mota ne wani season de trick tu vas different me ni gaskiya kawai ba ni ganin kama kuɗi cikin soyayya ita soyayya so ne tsakani da Allah tsakanin ku ku biyu duk abin da za ku ma juna kawai ke sare just an turfu. kun ji dai yau a wannan fada hira soyayya muke nan ga yi wannan shirin namu yana birge ku kuna so ku ba mu ra'ayin ku bisa wannan shirin shirin namu kuna iya aiko muna tambayoyin a bisa kan lambar mu ta WhatsApp 8006 88 54 On va encore retourner en musique, cette fois-ci avec Sidiki Diabaté. Il dit Fais-moi confiance. Et ça, c'est un cadeau que la FADA, l'équipe de la FADA, envoie à tous nos amoureux de la FADA. De Kamasu, Sha'awanan, Shire Namu. Tu me fais confiance, mais je te fais confiance. Quand nous la mettons, ma là, mon chéri n'a bisou la, pour la joie. fâché. allé à Bellissimo sur euh, la terrasse, je dirais. Nous sommes avec euh, Madame Haddad Fatih. Nous sommes avec Seno, il est artiste euh, danseur Kim Gold, <laughs> la gauche de la fada d'aujourd'hui. On va dire maintenant Ali romantique. romantique. <laughs> selon vous c'est plus les cadeaux c'est les sentiments, <clears throat> c'est les mots, c'est les gestes. Tanti, tout d'abord, euh, nous allons prendre en général ce qui se mhm. passe les jours de la Saint-Valentin. C'est un cadeau juste pour symboliser ce jour. C'est une sortie, un dîner, pour euh, immortaliser euh, cette soirée. C'est euh, c'est une journée, c'est 24 heures où tu essayes de faire que du bon, que du bien. Pour mhm. tout celui mhm. qui veut faire ressentir qu'il aime mhm. son prochain, c'est de le faire manger, c'est de le faire rire, c'est de le faire danser, c'est de le faire partager ces cadeaux que nous aurons. Et... Merci Tanti. C'est non. Oui. Je viens à toi. Okay. a quoi il faut donner de l'importance Tu cikin wannan an muna wannan hira ta mu ta soyayya yanzu da tout ça la tourne autour de soyayya menene ne kamata a ce en bas importance a ganin l'importance euh, je pense euh, c'est d'immortaliser le moment par exemple, offrir à, son, à, son, copain ou bien à sa copine euh, une sortie ou un dîner. Vous pouvez, par, exemple, dans la journée, euh, programmer de, faire des promenades, vous voyez, et peut-être dans la soirée, aller euh, prendre un dîner ensemble, vous voyez. Donc, s'il y a des cadeaux aussi à offrir, vous pouvez vous offrir des cadeaux, tout ça pour immortaliser le moment, quoi. Et moi, je pense qu'à travers ça, la personne peut comprendre réellement que tu es sincère et tout et tout, quoi.

tu trouves que c'est important oui, c'est important. Souvent, on, prend ça pour euh, comment pour euh, du romantisme. Pour, voilà, de la faiblesse. Il disent que exprimer sa façon d'aimer, c'est être faible. Mhm. Alors que moi, je trouve que c'est. <laughs> c'est ça qui est important. Voilà, c'est important de dire à une personne que tu es avec moi, je suis heureux. Inasonki. Voilà. Oh là là, <laughs> allez, rapidement. Oui, ravi. kai yanzu a gani a gani toi déjà t'as chanté oui je vois que tu pour toi c'est la ni dai gaskiya abin da nake gani ina so yan soyayya kowa ya rike soyayya da Allah su so juna kin gane ko tsakani da Allah a hidda harkokin kuɗi wani waye kayan duniya gaba a tsaya a so juna dan Allah kuma wannan ranar da za ta zawa a huta lahiya kowa da kowa samari da budurwa kuma a ta yi a sanu <laughs> <laughs> sanu Oli, on t'écoute. Bonsoir à tous, bonsoir à vous, vous allez bien Bonsoir. Pas d'amour, pas de vie, pas de paix, pas de tranquillité. Et ce soir, moi, je veux vous parler de quelque chose qui n'a aucun, aucun rapport avec l'amour, mais grâce à qui on doit, euh, on peut parler de l'amour. Je vais vous parler des élections. Tu es, un oh. là, tu es devenu, <laughs> tu es devenu quoi. Oh, hein oh, merde. <laughs> moi, je veux vous laisser. Hein. Hein. <laughs> non, tu ne pars pas, tu ne bouges, tu bouges pas. Ce soir, on va parler des élections et bien sûr on va parler de ce qu'on appelle le contentieux électoral. C'est quoi un contentieux électoral C'est le thème de notre chronique de ce soir. Tout d'abord, prenons les mots un à un. C'est quoi un contentieux Un contentieux, d'abord, c'est un mot qui désigne en langage administratif une procédure désignée à faire juger un litige entre un usager d'un service public et l'État. Alors, électoral bah, désigne tout ce qui a un rapport avec les élections. On est d'accord Alors, le contentieux électoral désigne le règlement d'un désaccord lors d'un processus électoral, c'est-à-dire lors d'un processus électoral, il y a des choses qui se passent pas bien des gens qui sont mécontents et c'est grâce à ce contentieux qu'ils arrivent à trouver des solutions. Comme vous le savez, au Niger, on se prépare pour des élections municipales et présidentielles. Une première partie du processus électoral marqué par l'enrôlement biométrique vient d'être achevée. Certains partis politiques ont relevé des insuffisances. Dans la zone 1, par exemple, après les opérations d'enrôlement, des plaintes ont été reçues par les agents de la Commission électorale nationale indépendante. Dans une situation pareille, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut analyser les plaintes et bien évidemment trouver des solutions par rapport aux plaintes. Au Niger, qu'est-ce qu'il faut savoir du contentieux électoral en cours J'ai eu la chance de rencontrer le président de la CENI, maître Suna Isaka. Il nous répond. Vous devez savoir, c'est que très bientôt démarre l'affichage et le traitement du contentieux de la liste électorale dans la zone 1. Euh, ceux qui ont la responsabilité du traitement de ce contentieux sont les commissions administratives locales qui vont recevoir les plaintes à travers des fichiers Excel. vérifier déjà, par exemple, si le porteur de le porteur d'un récipient d'inscription n'est pas sur la liste. Pourquoi il n'y est pas Pourquoi X conteste l'inscription de Y sur la liste euh, Ces réclamations peuvent-elles prospérer Si elles prospèrent, voilà la suite. Si elles ne prospèrent pas, les commissions donnent leur opinion et décident. Alors, le contentieux électoral peut survenir avant les élections, mais aussi après. Mais quoi qu'il en soit, avant avant ou après les élections, l'objectif du contentieux est de régler les problèmes lié au déroulement d'une élection pour faire des Ici, ouais, la paix et l'amour dans ouais. le cœur de Parce tous les Nigériens, sans distinction de bord, sans distinction oui, d'ethnie. mais souvent, et on n'est pas trop impliqué. <laughs> Et surtout, sans distinction de bord politique. Ben, on va se dire bye-bye sur cette fada. Yo, gayyato samari da 'yan mata wanda muka yi hiran soyayya da su muka yi hiran wannan sallar da ake cima san valentine sallar masoya jama'a da sai ya gai akwai abin da aka kama yan mata gaskiya ba sa amsa to kenan kamar anda da ya ce a sa soyayya gaba a sa soyayya tsakani da Allah ka so mutum tsakani da Allah ai soyayya gaskiya tahi ita wannan soyayya ta kawo mota <laughs> ko a kawo zinariya a bada kado sai mun kara haduwa basu kan shirinmu na duka mu haɗu fada zan ku haɗu da abokin aiki na don gobe zai yi hirin wa'annan masu waka mawakan wannan masu waka soyayya ku dai kun gane dai soyayya soyayya love love ne wannan fara ta welcome mr ta wannan yawa le daju niger kun shi ko to zai yi zanci zai hira tare da su ya san wannan waƙoƙin da suke yi ma'anar su kuma me yasa suke yin su zaman duniya aminiya ta sai a hankali yo zaman duniya so Joyeuse Saint-Valentin à tous! Beaucoup d'amour, beaucoup de cadeaux, surtout ah, beaucoup de chocolat, beaucoup de fleurs! Ah, <laughs> Merci d'avoir été à l'écoute. C'était le programme Gêne du studio Kalangu, diffusé les samedis et les dimanches de 17h à 18h15. Tout de suite, place au forum du studio Kalangu.